le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec les Jeux olympiques de Rio où l'un des représentants du Niger en natation, en l'occurrence Mokhtar Albashi, a fini déjà son âge libre de 50 mètres. Nous parlerons également de la conférence de presse animée hier par la directrice générale de l'UNESCO en marge de son séjour au Niger. Ensuite, euh, nous verrons les causes du débordement des eaux dans les grandes villes du Niger, euh, particulièrement à Niamey en cette période hivernale vue par un urbaniste. Voilà l'essentiel euh, du menu de ce forum. d'un moment à l'autre, euh, nous attendons, euh, nous, serons en ligne euh, depuis Rio de Janeiro pour où, nous allons prendre notre le, chroniqueur sportif Sekou, Ibrahim. Mais en attendant, je le disais, Mokhtar albashi et Rukaya Moussa vont donc représenter le Niger en nage libre lors de ces Jeux olympiques. Amadou, l'entraîneur national de natation, nous explique ce que c'est que la nage libre. Il était au micro de Habibou Garba. Depuis quand le Niger s'est intéressé à ce sport, je veux dire la natation Donc la natation, euh, c'est un sport universel, c'est un sport que les Nigériens ont pratiqué depuis euh, que l'homme est sur Terre, parce que... Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le fleuve Niger dont le pays porte le nom est un lieu de natation. Surtout les sports nautiques, donc à savoir euh, les courses de pirogues à savoir la course au canard, à savoir la traversée à la nage, à savoir le gora que d'autres euh, riverains font, à savoir euh, la pêche. Il y a beaucoup d'activités qu'on appelle sports nautiques qui se déroulent autour du fleuve ou des oasis vers euh, notre désert et ou à Difa où il y a beaucoup de cours d'eau ou à Maradi où il y a des goulbis et Tawa aussi. Donc le Niger est un pays de sport nautique et principalement de natation où depuis 1967, la piscine olympique était créée et qui avait en ce temps des normes olympiques. Les Nigériens, à travers les premiers occupants blancs qui avaient commencé à initier les Nigériens à la natation moderne. Donc c'est depuis 1968. La natation a une longue histoire au Niger et donc la piscine, une infrastructure dont j'ai dit eh, aux normes olympiques qui aujourd'hui finalement porte le nom même des Jeux, les, JO, les Jeux olympiques qui s'organisent aujourd'hui actuellement au Brésil. Donc la piscine olympique d'État a six couloirs et aujourd'hui beaucoup de Nigériens, depuis des années, euh, s'intéressent à cette discipline et fréquentent. Et aujourd'hui nous avons beaucoup de Nigériens qui nagent qui arrive à faire la natation moderne, comme je l'ai dit, dans le crawl, la brasse, le papillon et le dos, les Nigériens participent régulièrement aux compétitions euh, internationales, aux compétitions mondiales et dans les Jeux olympiques aussi. De temps en temps, une fille, un garçon trouve une place d'universalité et Aujourd'hui, nous avons deux représentants, comme je l'ai dit tout à l'heure, au JO de Brésil. Alors, en parlant des, représentants, ils participent à nage libre 50 mètres. C'est quoi nage libre 50 mètres Donc, nage libre, c'est une nage qu'on appelle le crawl que nous appelons traditionnellement le crawl qui se fait sur une position ventrale avec battement des deux jambes et mouvement de bras alternés qui est considéré comme la nage la plus rapide des quatre styles de nage puisque quand on dit aux gens de nager librement, chacun va faire le crawl. Cela lui permettra d'avancer plus vite parce que les autres styles sont moins rapides que le crawl. Et ce crawl est appelé nage libre. C'est vrai, de manière traditionnelle, quand on dit nage libre, on peut permettre à chacun de nager le style qu'il connaît, sans distinction de, technique. Mais aujourd'hui, au niveau mondial, quand on dit nage libre, il s'agit du crawl. Donc, dans la nage libre, il n'y a pas de disqualification pendant la nage. Ça veut dire que techniquement, si tu arrives, donc après le départ, tu arrives sur 50 mètres, tu peux toucher le bord du bassin avec n'importe quelle partie du corps. Alors que, par exemple, pour la brasse, on ne touche pas avec les pieds, on ne touche pas avec la tête, on ne peut toucher qu'avec les deux mêmes mais au même niveau, au niveau de l'eau. Mais pour le crawl qui est considéré comme nage libre, n'importe quelle partie du corps arrive à toucher, on est arrivé. Nous, des représentants là-bas, est-ce qu'ils seront à la hauteur Donc, je euh, je m'en doute pas cette année quand même. Depuis quelques mois, j'ai observé une mise au vert de nos représentants. L'État du Niger s'est investi cette fois-ci à prendre en charge et l'encadrement et l'alimentation en tout cas l'équipement de nos deux représentants pour quelques mois et ils s'entraînent à la piscine olympique avec 50 mètres aux normes et avec des encadreurs, je pense, qui ont le niveau. Et ils ont participé dernièrement euh, à une compétition de la zone 2. Un an auparavant, ils avaient participé à un championnat du monde et je pense que au moment de leur départ, ils ont été reçus par l'ensemble des autorités du Niger. Donc ils ont eu l'égard nécessaire et je suis sûr que nos deux représentants peuvent battre leur propre record. C'est tout ce qu'on puisse dire parce que la natation mondiale a atteint un niveau important qui est loin de nos espérances, qui est au-delà quand même de nos performances que nous avons au Niger. Donc il ne faut pas se lérer mais je pense qu'ils feront de leur mieux, ils battront leur temps, ils feront de meilleurs temps et on ne verra que les encourager. Euh, à vous entendre, on peut espérer à des médailles Donc médailles, il ne faut pas se tromper. Et le Niger est très loin de la natation. Le est loin derrière au niveau de la natation, mais je suis sûr qu'en étant technicien de la natation, je sais que 21 euh, secondes aux 50 mètres, nous ne pouvons pas le faire, alors qu'au niveau mondial, on peut avoir 100 nageurs au niveau mondial qui peuvent faire 21 secondes aux 50, alors que nous, nous tournons autour de 26 secondes. Donc nous sommes loin, loin des podiums. Il faut attendre encore. Je vais juste appeler aux gens au travail. Cette représentation de nos deux candidats nous fera, et je crois que ça va réveiller davantage la natation, ça va amener les jeunes à s'initier, à apprendre et à, se déployer et aux autorités. Je pense qu'ils verront que nous sommes loin et que nous pouvons quand même nous donner pour que la natation dans les années à venir puisse être un domaine dans lequel le Niger peut exceller parce que comme je l'ai dit au départ, nous avons les cours d'eau, nous avons un grand bassin qu'on ne retrouve pas facilement euh, dans la sous-région. Et 50 mètres, ce n'est pas facile on en a. Et moi, personnellement, en tant que directeur de la piscine, j'ai ouvert la piscine à l'ensemble des pratiquants qui veulent vraiment faire la natation sportive et aux structures dont les clubs, les ligues et aux forces de l'ordre qui peuvent vraiment euh, faire quelque chose dans le domaine de la natation. Et aux sponsors qui peuvent aider les jeunes. Parce que comme à la lutte, la natation aussi, c'est un domaine qui appartient au Niger, dans lequel on peut vraiment faire parler, faire sortir le nom du Niger, c'est mesurer aux autres comme cela peut s'entendre. Alors, quand on parle euh, de natation, de quel athlète euh, vous allez penser automatiquement Qui a brillé, je vais dire. Au niveau national, nous avons eu quelques nageurs un moment, à l'image d'un nageur qui aujourd'hui est devenu encadreur en France, un Ibrahim Maliki, qui nous a représenté souvent dans les Jeux Olympiques, qui nage autour de 25 secondes, souvent 24 même, et qui malheureusement n'a pas eu les gardes nécessaires et il s'est retrouvé dans des études en France et aujourd'hui il n'a pas eu l'apport nécessaire et je pense que c'est le meilleur nageur de tous les temps mais malheureusement que les Nigériens n'ont pas pu euh, véritablement exploiter et je pense qu'aujourd'hui euh, il y avait un certain euh, un nageur Ablaziz Al-Husseini qui aussi à son temps depuis les années 90 était parmi les meilleurs nageurs et qui avait aujourd'hui abandonné pour le taekwondo pour manque de soutien à la natation. Et j'ai en mémoire un certain nombre de nageurs qui sont partis à des championnats du monde qui malheureusement ne sont pas revenus parce qu'ils pensent qu'au Niger, il n'y a pas le soutien nécessaire et à la natation. Et ils sont nombreux, beaucoup de Nigériens qui aiment la natation mais malheureusement qui n'ont pas eu de soutien. Merci beaucoup. C'était là Amaru Amadou, entraîneur national de la natation. Je rappelle euh, qu'aujourd'hui, Mokhtar Al-Bashir, le représentant euh, des, Jeux Olympiques du Niger en natation, a fait son entrée dans la grande piscine de Rio aujourd'hui à 17h avec euh, les autres Africains. Mokhtar Al-Bashir est troisième dans la deuxième série et dernière, derrière Nicolas Sylvestre de Saint-Vincent et Sawadogo Terry, le Burkinabé. Mokhtar a battu son record avec 26 secondes 56 centièmes. Il était jusqu'ici de, 27 secondes et 57 centimètres. Euh, nous sommes sommes en ligne avec euh, Sekouber Ibrahim, membre de la délégation euh, nigérienne. Sekouber Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Euh, Ibrahim, euh, Ibrahim explique-nous comment les choses se sont passées. Ah oui, mais en tout cas, c'est vrai que la veille, je vous disais que c'est un peu compliqué pour lui, parce que vous savez, c'est vraiment le départ mondial de la natation qui est ici. Et, euh, mais lui, il est tombé dans une pays où il y avait beaucoup d'Africains. Et finalement, en tout cas, il est bien parti, il a bien pris une bonne position, il a bien pu prendre le, démarrage. Et, en tout cas, à l'arrivée, il était même à un moment, on pensait qu'il allait même occuper la première place. Mais malheureusement, vous savez, hein, en tout cas, il s'est contenté de la troisième place. Alors, c'était quand même la joie sein de la délégation. Oui. Alors, Sekouber Ibrahim, est-ce à dire qu'il est qualifié Oui, il euh, va tout de suite faire euh, une deuxième série. Ça veut dire qu'il a un temps intéressant que nous n'avons pas encore euh, maîtrisé. C'est vrai que ce qu'il court, il a battu son propre record. il est en tout cas monté en flèche, le jeune et majeur. Il a même hier, lui, il nous dit que l'objectif, c'est quand même de, de, faire parler du leader tout à l'heure, il a qu'il était quand même, ça fait longtemps, on n'a pas vu une deuxième troisième. Je crois que c'est la première fois que un Nigérien se qualifie en tout cas pour la, pendant la première série. Alors donc, euh, je pense qu'il euh, est va tout de suite à. Je crois qu'il a été retenu parce que nous sommes là en attente. Il a été retenu pour passer Alors, euh, un second tour. Un second tour. Donc ça veut dire qu'il a pulvérisé son record. Alors... Il est en tout cas proche des de, de vrais records. Alors, Sekouber Ibrahim, est-ce qu'on peut s'attendre à une médaille Non, non, pas du tout. Il ne faut pas aller loin. Et déjà, la prouesse, elle est là. Avec, euh, euh, en tout cas, je vous dis que dans l'histoire du Niger, demandez peut-être le coach avec vous. Je n'ai pas euh, souvenir que tête nigérien est quand même euh, passé le premier tour. Or, voilà un jeune qui, vient et qui est troisième. cest à que et qu'on lui dit d'attendre parce qu'il doit passer normalement un deuxième tour, ça veut dire que c'est exceptionnel. Déjà, lui, il a réussi ses Jeux, ses jeux Olympiques, il a réussi sa partition, je crois. Parce que de l'histoire du Niger, je n'ai pas de d'un athlète qui est en tout cas passé le premier cas. Alors, Kouber Ibrahim, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une médaille Ah oui, vous savez, d'abord, euh, même par rapport à la, à la discipline, le record mondial, c'est à 1. Le record mondial, c'est 21 secondes, 28 secondes. Donc, vous voyez bien que euh, même si, même si n'est pas à l'union de 21 secondes, il a quand même, euh, je vous l'ai dit, il a quand même pu de tirer son épingle du jeu. On ne m'attendait pas de toute façon. Il est grand pour ça. Maintenant, que dans sa série, dans, sa catégorie 50 mètres nage libre, il y a 11 séries. Lui, il est passé à la deuxième série, troisième. Il a fait un temps confortable que vous, continuez ici, là. Et certainement qu'à la deuxième série également, à la deuxième tour, il va tenter peu d'améliorer. Mais vous savez, on a fait en sorte que les grands se retrouvent quand vous prenez à partir de la huitième série jusqu'à la onzième. Et les grands, on prend les 16 meilleurs, euh, les 16 meilleurs les 16 meilleurs pas, pour quand même faire des huitièmes de finale avec. Donc, euh, Peut-être que pour le moment, il n'est pas dans cette disposition, mais je le dis au euh, il a trop truc de, de, de, de, de il est quand même euh, intéressant pour lui. Je dis que de toute façon, on ne peut pas s'attendre à une médaille, puisqu'il y a les beaux, les beaux les là, les grands athlètes, les grands nageurs sont toujours là. Donc, lui, je pense qu'il a réussi son jeu, ses jeux. Et je pense que le fait d'améliorer alors, oui. Sekouberi Ibrahima, euh, la, la, deuxième euh, nageuse, euh, passera euh, demain. Est-ce qu'on peut espérer Demain Oui, bon, vous savez, il faut toujours espérer, l'espoir c'est vivre. C'est ce que je disais, hein, parce que j'ai échangé avec le coach, il me disait qu'il n'y avait pas de miracle. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de miracle qu'on ne s'attend pas à une médaille. Mais le coach disait que lui, l'objectif, c'était que ces jeunes-là puissent quand même battre le corps. Aujourd'hui, il a un record intéressant et il a pu quand même battre son propre record. C'est déjà une victoire. Mais la fille, elle est dans les bonnes dispositions. Vous savez, je, vous dis, quand même, il ne faut pas se cacher la face. Les Nigériens ont quand même, la première fois, une bonne préparation par rapport aux athlètes. Même si c'était une préparation locale, quand même, il fallait le payer. Ça a été quand même, euh, cette préparation, est portée aujourd'hui de tout ce que vous êtes en train de voir parce que euh, les jeunes ont été bien entretenus au niveau du centre euh, de la fédération. Ils ont mangé, ils ont couru, ils sont entraînés à, à toute. Euh, donc je pense que vraiment, il faut, il faut dire que quand même, c'est une préparation de quelques semaines, mais si ça avait été une préparation un peu prolongée, vous voyez bien qu'on allait espérer plus que ça. Et c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont plus avec Alphaga qu'avec les autres, parce qu'Alphaga a eu cette possibilité de venir dans le espace spécialisé pendant pratiquement deux années. donc euh, c'est pourquoi les gens s'attendent. Mais moi, je pense que la jeune fille aussi, certainement, au vu de, du résultat de Al-Bashir, va certainement tenter aussi l'impossible, elle va tenter. Mais je le précise, elle est à 36 secondes, le 50 mètres ville. Et son objectif, c'est de réduire ce temps-là pour, le ramener à un, temps raisonnable. voilà un peu. Demain également, il y a l'athlétisme qui va également. On aura nos deux représentants sur les 400 mètres. Euh, il y a, un qui passe, euh, l'Afrique qui passe à 11h, 15h de Niamey, et, le garçon qui va passer à 17h. 21h euh, plutôt, donc c'est pratiquement une heure du matin, pour euh, la compétition de Hatsama. C'est Kouberi. Ça très difficile. Oui. C'est Kouberi Ibrahim, on vous remercie. Merci beaucoup, merci C'était là Sekouberi Ibrahim, chroniqueur sportif à l'ORTN. Il euh, il était en direct depuis Rio de Janeiro pour les Jeux olympiques. autre chose à présent pour ce forum. En marge de sa visite de travail de 48 heures au Niger, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a animé hier une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères. Irina Bokova s'est par ailleurs entretenue avec les différents ministres qui exercent dans les domaines de compétences de l'UNESCO avec le Premier ministre et le président Issoufou Mahamadou. L'un des plus grands défis pour l'État nigérien est l'éducation des enfants en général et celle de la jeune fille en particulier. Elle été au micro de Mariama Kenda. Je suis euh, très contente de cette visite, euh, euh, cette visite qui suit mes visites au Sénégal, Mali, euh, chat euh, maintenant ici au Niger, euh, dans le Sahel. C'est une visite d'échanger avec le chef d'État et, et, le Premier ministre et les ministres. notre coopération, le bilan de notre coopération. J'ai félicité le président de la République par des mesures prises dans le domaine de l'éducation, la culture, la renaissance culturelle, la lutte contre l'extrémisme, l'intégrisme. Euh, j'ai euh, félicité aussi euh, Monsieur le Président pour les initiatives d'adapter la politique et aussi d'avoir une vision plus large stratégique, la stratégie de développement du pays 2035 qui suit les lignes des Nations Unies dans le domaine de l'éducation avec l'introduction d'une durée de l'éducation jusqu'aux 16 ans euh, J'ai félicité aussi les efforts pour l'enseignant, euh, l'éducation des filles, euh, aussi le rôle des femmes dans la société. et nous avons aussi décidé de travailler, de, travailler ensemble dans le domaine de tolérance, dialogue contre les cultures. cette large plateforme de culture de la paix que l'UNESCO est, est lancée déjà, a lancé euh, dans plusieurs pays africains, mais euh, je crois ici, ça devient de plus en plus important. Madame la directrice, vous avez parlé de votre visite au Tchad et aussi au Sénégal. Vous êtes ici au Niger. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis auxquels font face, euh, je parlerai de l'Afrique de l'Ouest Je crois que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est très touchée, très concernée par l'extrémisme, l'extrémisme violent, le terrorisme. C'est un enjeu pour euh, pour les pays, pour les peuples, ça, euh, c'est un obstacle au développement. Euh, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. c'est une région avec une jeunesse, une jeunesse qui réclame l'éducation, les compétences, la formation professionnelle, technique, l'emploi. Euh, et c'est là, je crois que euh, nous, l'UNESCO, nous pouvons accompagner ces pays dans la recherche des solutions à cet enjeu. C'est aussi une, une région où malheureusement il y a l'analphabétisme. Euh, il faut davantage investir beaucoup plus euh, dans euh, la formation et dans l'éducation non formelle. Il a donné les douzième chances aux millions de jeunes filles et des, garçons. je crois que c'est un ajout aussi pour le futur. et, là, je crois que nous pouvons travailler ensemble davantage, beaucoup plus fort. Je continuerai avec, je rebondirai sur la question de, l'autonomisation de la jeune fille ici au Niger. Euh, euh, on sait quand même qu'on est confronté à, ce problème. En avez-vous discuté en large, en long et en large avec euh, les ministères en charge de cette question Oui, absolument. J'ai discuté cette question avec le président, avec le premier ministre, avec les ministres. Je dois dire que les dirigeants, les leaders sont conscients de ce problème. Euh, de notre côté, euh, euh, nous, allons lancer des nouveaux projets, des nouvelles idées avec le soutien des, nouveaux donateurs sur l'éducation des filles, des filles adolescentes. je crois que avec la nouvelle loi sur l'éducation jusqu'à 16 ans, je crois que ça donne aussi l'opportunité pour nous d'aider le gouvernement, d'accompagner le gouvernement euh, dans le plaidoyer, tout d'abord, de travailler avec euh, euh les communautés, les leaders, euh, euh, les leaders religieux, les leaders traditionnels. C'est important aussi de retenir les filles dans les écoles parce que avec chacun que les filles restent dans les écoles, il y aura moins de mariages précoces, moins aussi des grossesses précoces. C'est bien pour la santé euh, c'est bien pour les, pour les familles après, euh, c'est bien pour la communauté et je dirais que euh, ça aura un impact plus large dans l'inclusion de la société et même euh, dans l'économie future. L'UNESCO, c'est aussi la culture. On a un nouveau ministère qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la Renaissance culturelle. Comment l'UNESCO euh, appréhende cette initiative et des autorités de la 7e République euh, J'ai félicité Monsieur le Président pour cette vision parce que je crois que ce n'est pas une simple décision, c'est une vision du rôle de la culture, du patrimoine. Euh, dans la vie euh, de, euh, de, la société. C'est très lié avec l'éducation, c'est lié avec le développement, la culture, le rôle de la culture dans le développement. cette idée de renaissance culturelle résonne très profondément avec le mandat de l'UNESCO. Nous avons trois sites du patrimoine mondial ici au Niger. Niger est aussi très riche dans le patrimoine immatériel, la créativité, l'artisanat, euh, lié avec la confiance euh, de la jeunesse qui doivent savoir connaître euh, ce patrimoine et, et, construire autour de ce patrimoine aussi leur futur, à notre avis et à mon avis, c'est quelque chose de primordial parlant de la renaissance culturelle, j'ai visité le musée. C'est l'histoire du musée est très liée avec euh, l'UNESCO et euh, avec euh, le ministre de la Culture, avec le directeur du musée, même avec le président. Nous avons discuté le besoin de revitaliser, de revisiter cette coopération que nous voyons parce que je crois que le musée euh, c'est pas un lieu seulement culturel, c'est aussi éducatif, euh, c'est de recherche euh, et, de donner le tissu, je dirais, de le matériel de cette vision stratégique de la Renaissance culturelle. pour nous, les musées ont ont une pédagogie pour la jeunesse. même dans la lutte contre l'extrémisme, je crois que de cette institution euh, peuvent jouer un rôle euh, même beaucoup plus grand euh, beaucoup plus important, et c'est la vision que nous avons. J'ai visité aussi l'université. Je crois que le message d'avoir les liens entre toutes les étapes de l'enseignant, c'est davantage important parce que s'il n'a pas la qualité de l'enseignement supérieur, d'où prendre des bons, des bons enseignants, il faut soutenir aussi l'enseignement supérieur. J'ai visité un de nos projets sur les nouvelles technologies. C'est un projet financé par l'OMOA. Euh, avec, euh, euh, nous avons mis en connexion huit universités de l'Europe, de, de l'Afrique de l'Ouest. Les nouvelles technologies donnent plus de potentiel, pas seulement dans la qualité des étudiants, mais je dirais au-delà de ça, parce que les serveurs euh, qui, euh, qui, qui, sont là, installés, euh, ils ont le potentiel de couvrir tout le pays. Alors le potentiel de développer est beaucoup plus grand. Alors, dans tous ces domaines, la modernité vient et la nouvelle vision vient. Ils vont davantage être beaucoup plus créatifs de l'utiliser pour le bien du pays. Mon message, c'est un message de paix. c'est un message contre la violence. C'est un message euh, pour un dialogue, euh, pour une euh, réconciliation nationale. C'est un message vers les jeunes parce que je crois que avec les problèmes, avec les opportunités, avec les futurs, je ne crois pas que les problèmes pourraient être réglés par les violences, par l'extrémisme. C'est plutôt par l'éducation, c'est plutôt par des compétences, c'est plutôt par par un dialogue, par une culture de la paix. C'est le futur. Le reste, euh, c'est la guerre, c'est la pauvreté. C'est ça mon message. Merci, Madame la Directrice. Merci beaucoup. Merci. C'était la Irina Bokova, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui a animé hier une conférence de presse au, au ministère des Affaires étrangères. Ces dernières années, les grandes villes du Niger connaissent un débordement des eaux en saison pluvieuse. Du coup, beaucoup d'inondations sont enregistrées. Qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène Younousa Tini, architecte urbaniste, répond. Il était au micro de euh, notre reporter Omar Hamma. La ville de Niamey a un sérieux problème à l'heure actuelle d'assainissement, surtout en temps de saison pluvieuse. Pourquoi parce que le premier schéma d'assainissement de la ville de Niamey date des années 80. C'était élaboré par les Allemands et financé même en grande partie par les Allemands. Ce schéma était dépassé avant même 2000. En 2001, il y a eu un autre schéma, une étude qui a été faite par la coopération japonaise, JICA. Mais malheureusement, cette euh, deuxième étude n'a jamais été exécutée. C'est resté dans les tiroirs. Et imaginez, depuis 2000 même que l'étude a été faite, jusque-là, ça fait déjà 15 ans que cette étude a été faite et que rien n'a été exécuté. Et avant même que l'étude soit faite, le premier qui a été fait par les Allemands était déjà dépassé. Donc ça veut dire que si on remonte euh, jusqu'à quand Niamey aurait dû avoir un schéma exécuté, ça remonte à plus de 20 ans. Donc depuis près de 20 ans ou plus de 20 ans même, qu'un schéma d'assainissement n'a pas été élaboré ou bien révisé, il va de soi ce qu'il y ait des problèmes. Une ville, c'est comme un être humain. Tout se planifie. Après la naissance, on programme d'inscrire l'enfant, suivre ses études jusqu'à engranger le diplôme et commencer à exercer. La ville aussi, c'est comme ça, ça doit être pensé. Si on sait que la ville doit s'agrandir, il faut aussi penser à suivre ce phénomène d'urbanisation par les services d'accompagnement, à savoir euh, les schémas d'assainissement, les schémas de voirie, réseau, eau, électricité, tout ça là doivent suivre. Mais malheureusement, il n'est une cachette pour personne qui vit à Niamey que tout ça là ne suit pas. Les premiers collecteurs qui ont été faits datent des années 80, les derniers je veux dire, date des années 80. Et depuis lors, il n'y a plus eu de collecteurs. Les quelques caniveaux que vous voyez se réaliser dans la ville, ce ne sont pas des collecteurs. Ce sont des caniveaux qui sont réalisés pour les aménagements des voies, les goudrons qui sont en train d'être faits. Parce que quand vous aménagez une voie en butime, vous êtes obligé de faire un caniveau à côté pour recueillir les eaux de surface de cette chaussée. Donc c'est ce genre de caniveaux que vous voyez en ville. On les fait petits. C'est uniquement pour recevoir les eaux pluviales des chaussées et les drainer vers les exécutoires. Mais il n'y a pas de collecteurs. Donc le problème majeur aujourd'hui, c'est le manque de collecteurs Oui, tout à fait. Si vous essayez d'analyser ou bien de sillonner la ville de Niamey, vous allez voir tous les nouveaux quartiers, il n'y a aucun qui a un collecteur qui draine les eaux pluviales euh, des ponts les plus hauts jusqu'au exécutoires ou bien les ponts les plus bas. Il n'y en a pas. Ce qui fait que la ville s'est agrandie. Il n'y a pas eu ce, suivi en assainissement. Donc toutes les eaux recueillies dans les nouveaux quartiers sont drainées vers les premiers collecteurs qui, malheureusement, sont dépassés parce qu'ils n'ont pas été dimensionnés pour accueillir de tels flux. Donc, si on allait faire ajouter d'autres, on devrait revoir l'étude et le dimensionnement des premiers là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que quand il pleut dans les nouveaux quartiers, c'est le sable et les ordures que les gens versent dans la rue qui sont drainés par les eaux pluviales et qui viennent boucher les premiers collecteurs. Et bonjour le dégât. Quand les collecteurs, les anciens même sont bouchés, ça veut dire que les eaux pluviales ne peuvent être euh, déversées ou se stagner que sur les voies publiques ou bien dans les maisons des paisibles citoyens. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Est-ce que ce phénomène-là n'est pas lié au manque de respect du plan urbanisme Bon, quand vous dites ce manque euh, du respect du plan de l'urbanisme, d'abord, pour répondre à votre question, il n'y a même pas de plan d'urbanisme. Je suis désolé. Je dis, il n'y en a même pas, je suis désolé. Le premier schéma directeur qui a été fait a été conçu par euh, le président Kounke en 84 et qui a expiré en 96. Et ça s'arrête. L'évolution de la ville était pensée limite limites de la ceinture verte. Aujourd'hui, qui va me dire que la ville n'a pas dépassé la ceinture verte Peut-être même ce qui est derrière la ceinture verte dépasse même ce qui est à l'intérieur de la ceinture. Donc, le premier schéma d'urbanisme, le chemin directeur qui a été fait, a été expiré en 96. Et ses limites, c'était au niveau de la ceinture verte. Mais malheureusement, aujourd'hui, la ville a dépassé de loin la ceinture verte et il n'y a pas eu depuis lors un autre schéma qui va fixer l'orientation de la ville. Malheureusement, toute l'extension que vous voyez derrière la ceinture, ce sont des lotissements, la plupart euh, privés, qui malheureusement n'a même pas un bon suivi des autorités en charge je sais de quoi je parle. Il suffit de sillonner dans ces nouveaux quartiers après la ceinture, vous vous rendrez compte que vraiment il n'y a pas eu un bon suivi dans la réalisation de ces nouveaux quartiers. Donc euh, tout ça là, c'est aussi un problème accru. Non seulement c'était pas bien tracé, et de deux, les services d'accompagnement n'ont pas suivi, genre l'assainissement et autres. Donc voilà des problèmes euh, auxquels nous sommes exposés malheureusement. Est-ce que les dispositifs ont été pris pour des années à venir euh, suite à ce phénomène-là Malheureusement, en tout cas, à ce que je sache, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude en prélude pour euh, que la ville soit vraiment épargnée de ce genre de problèmes pour l'avenir. Parce que je n'ai, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai appris nulle part qu'il y ait des études qui sont en train d'être menées, des études euh, de reprise de schéma d'assainissement, encore moins de schéma directeur ou bien un autre euh, outil de planification. Il n'y a aucun outil de planification, en tout cas à ma connaissance, qui est en étude pour la ville de Niamey. Les gens gèrent les choses de façon ponctuelle et quotidienne. Malheureusement, euh, comme ça, aucune ville ne peut se développer d'une gestion quotidienne du jour au jour. Non. Ça doit être planifié, pensé et programmé. C'est comme ça qu'une ville doit être vraiment gérée. Mais si c'est d'une gestion quotidienne du jour au jour, dommage, ça ne peut pas aller. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons ici à Niamey, ville capitale du Niger. C'est beaucoup, monsieur Tini. C'était là Atini Younoussa, architecte et urbaniste, qui s'exprimait relativement au débordement des eaux dans les grandes villes du Niger en période pluvieuse débuts de le début de ce mois d'août a été caractérisé par des fortes précipitations euh, sur toute l'étendue du territoire national. Euh, ces averses euh, qui ont concerné le même, qui ont concerné même la zone désertique du Niger ont occasionné des inondations dans plusieurs localités du pays. Qu'est-ce qui explique cette situation exceptionnelle de la pluviométrie au Niger? Kachalou Gaptia chef de la la division prévision prévision météorologique de la Direction nationale de la météorologie. le répond au micro de Moussa Hassan. Monsieur Gaptia, nous sommes au mois d'août, au milieu de la saison pluvieuse. D'habitude, c'est la période des grandes averses, avec cette année une particularité de grandes averses qui ont occasionné un peu partout des inondations. Quelles sont les explications techniques que vous pouvez faire euh, sur cette situation eh, Merci bien. Eh, oui, effectivement, comme euh, vous l'avez constaté, et comme d'ailleurs euh, on l'avait dit au départ, depuis notre prévision du mois de mai, que la saison allait être pluvieuse. Pluvieuse, ça veut dire que nous allons soutenir de façon générale un peu au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Surtout, euh, actuellement, donc, au 31 juin, nous avons certes quelques poches donc, autour de la région de Dosso et un peu autour de la communauté Benyamé. Sinon, partout sur le pays, nous avons une situation quand même légèrement accélérée à très excédentaire. De ce fait, il y a eu, comme vous l'avez dit, des précipitations assez intenses, surtout par exemple quand nous prenons les régions de Difa qui ont été presque complètement arrosées. Une première, même le nord de la région de Difa, a reçu beaucoup de précipitations cette année. Et Agadez, Agadez donc qui depuis l'année dernière, on le sait. Pour le cas d'Agadez par exemple, c'est dû à la présence du massif de l'Aïr vous savez, quand le front tropical va jusqu'au plateau de Jado ou à proximité de la Libye, il doit donc grimper au-dessus de ces massifs-là. Et quand nous avons un flux important, effectivement, il y a des formations qui se font par euh, ascension sur la montagne. Et donc, c'est presque régulièrement que depuis les premiers mois de la saison, effectivement, à Gadez, il y a eu des précipitations et malheureusement des, inondations parce que non seulement il y a les caractéristiques du sol au niveau de Gadez, donc au niveau de l'éraser, mais il y a aussi ces massifs-là où les pluies qui tombent sur ces massifs, en des Et effectivement, cette augmentation des précipitations pourrait également être due au fait que nous avons euh, un réchauffement climatique. Ce réchauffement fait que l'air devient de plus en plus chaud et donc pendant l'hivernage, il peut contenir beaucoup plus d'humidité. Tout cela pourrait expliquer maintenant ce regain ou cette augmentation des précipitations ces dernières années sur la région d'Agadez. Les régions de Tawa, Tilaberi, Maradi, Zender, partout, il y a eu également des inondations et cela dû aux fortes précipitations et aussi au type de système de précipitation que nous avons actuellement ce sont donc souvent des petits vortex, ça, hein, ce sont des petits tribunes donc euh, cycloniques qui ramènent beaucoup d'humidité en un lieu. Et quand il y a la perturbation, elle est alimentée et donc c'est ça qui déverse beaucoup plus d'eau. C'est le cas des, inondations de 2009 à Ouagadougou, c'est ce type de précipitation. C'est certes localisé, mais quand ça arrive, euh, donc ça peut causer beaucoup euh, parce que ce sont des pluies très intenses et qui durent très souvent. Et donc c'est ça qui fait que effectivement on a des inondations, mais également il y a une disparité spatiale du fait que, je disais bien, que malheureusement, ces genres systèmes sont localisés dans un espace donné, et donc ce n'est pas de grandes envergure. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est pas seulement cette année, mais ces dernières années, avec le changement climatique justement, le constat fait c'est la disparition de ce système que nous appelions en jargon technique euh, les lignes de grains. Les lignes de grains, ce sont une série de cellules convectives qui s'alignent euh, en diamètre de euh, pratiquement 400 km. Et c'est heureusement orienté nord-sud. Et donc c'est un système par exemple qui commence au Tchad et ça se maintient jusqu'à 5 jours. L'avantage de ce système est que c'est celui-là qui vous amène beaucoup de vent au départ et après quelques minutes, les forces adverses arrivent et vous avez après une pluie stratiforme, les petites pluies là qui durent. Ce système-là est en voie disparition. Et son avantage, c'est que de façon spatiale, quand il passe en une journée, il peut balayer pratiquement toute la zone agro-pastorale du pays parce qu'il fait quand même 400 km de diamètre. Donc voyez-vous, ce système maintenant se raréfie, disons même, euh, ça tend vraiment à disparaître et c'est là, euh, on le lit pour le moment, au changement climatique. Donc nous avons que ce système-là le système convectif localisé qui vont donner ça et là des fortes précipitations et donc également des inondations de façon localisée. Et cette année, nous avons quand même euh, sur sur les, postes suivis selon notre service ici, euh, application météorologique qui coiffe le groupe de travail pluridisciplinaire. Au 31 juillet, nous avons des précipitations sur les postes suivis de 76% excédentaires par rapport à l'année dernière et 61% excédentaires par rapport à la moyenne 81-2010 en termes de précipitations tombées. Ça veut dire tout simplement ce que je venais de dire au départ, que nous avons une situation d'excédent pluviométrique dans la majeure partie du pays. Nous savons que plusieurs villages sont sous l'eau présentement au Niger. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir Dans les jours à venir, vous savez, nous sommes au mois d'août et la situation va encore se maintenir et même euh, dans certaines localités s'amplifier. Donc il faut encore s'attendre euh, à ce genre de choses. C'était déjà prévu et nous le réitérons. C'est une situation de pluie qui va continuer et malheureusement, euh, bien que c'est bon d'avoir beaucoup de précipitations, on s'attend encore à davantage d'inondations. Tout cela a des conséquences sur les points d'eau, notamment sur le fleuve Niger. Oui, euh, effectivement, sur le fleuve Niger, euh, ça, de façon spécifique, nos collègues des ressources en eau qui sont spécialistes là-dedans vont vous le confirmer avec leurs données. Mais ce que nous observons ici, sur nos données satellitaires et tout ça, nous assistons à de fortes précipitations. D'ailleurs, il y a trois jours, il y a eu de fortes précipitations qui sont tombées dans le domaine malien. Et juste à proximité effectivement du, fleuve, mais également et dans les régions Tawa où des fortes précipitations sont tombées. Tout ça va essayer de réussir pour venir encore, n'est-ce pas, alimenter le fleuve et éventuellement pour relever le débit du fleuve Niger et éventuellement arrêter à des inondations. Leurs derniers bulletins déjà disent que euh, le débit est en train de partir, euh, d'atteindre le seuil d'alerte pour les inondations. Récemment, il y a eu euh, la conférence de la COP 21 en France. Plusieurs mesures ont été prévues. Qu'en est-il au Niger la COP21, vous savez, depuis euh, Copenhague, on a essayé de trouver un palliatif donc au protocole de Kyoto, qui, a développé un certain nombre de textes qui amènent les pays, surtout les plus pollueurs, les pays développés, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle l'atténuation à travers la réduction des gaz à effet de serre, parce que c'est eux qui sont responsables du réchauffement climatique. Depuis là, en réalité, il y avait eu des beaux discours jusqu'à Paris. Il n'y a pas eu un, texte assez euh, conséquent. Maintenant, à Paris, effectivement, il y a une proposition d'un nouveau protocole, de nouvelles conventions qui demandent l'adhésion d'une majorité des pays, mais surtout des pays qui sont euh, développés. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Chine, c'est le cas des pays européens. Déjà, certains pays ont commencé à signer. Donc, si on arrive à signer, et surtout que les grands pollueurs arrivent à signer, ça, on aura réussi véritablement mais il faut attendre voir vraiment d'ici peu comment euh, ces pays-là vont tous s'engager à signer ces, nouveaux protocoles-là. Et pour le Niger, de façon indirecte, parce que tout compte fait, pour le Niger, nous, nous, sommes, nous faisons partie des pays d'abord même puis, donc nous ne sommes pas véritablement de pluies parce que quand on fait la, la part des choses, nous, nous sommes un pays vraiment qui, absorbe. Donc, euh, nous sommes euh, négatifs en termes de pollution, on peut le dire comme ça. Et donc, euh, si on arrive à faire plier les pays développés, le Niger va gagner parce que tout simplement, le changement climatique, c'est une question globale. Pas parce qu'on a pollué aux États-Unis ou au Canada que nous, nous sommes épargnés bien malheureusement. Et d'ailleurs, c'est le fait contraire. On remarque que les impacts de ce changement sont beaucoup plus pressentis dans les pays en voie de développement, en particulier les pays africains, dont le Niger. Vraiment, si on arrive à concrétiser ces protocoles à travers l'adhésion massive, surtout des pays les plus gros pollueurs, alors on aura réussi. Et pour le Niger, ça va avoir un impact assez important. Ça va jamais s'arrêter juste brusquement comme ça parce que le réchauffement et le changement sont en cours. Il va falloir, même si on s'arrête là, on va juste peut-être garder à l'état ou juste un peu augmenter les impacts ou l'ampleur de ces changements. Mais euh, à la longue, on va gagner si on arrive à maîtriser notre émission de gaz à effet de serre. Donc euh, les des pays comme le Niger, ou je peux dire la bande sahélienne doivent subir et attendre avec euh, tout ce que cela a comme conséquence sur nos cultures, sur nos vies. Aujourd'hui, la seule chose, nous, ce qu'on peut faire, et ce que les pollueurs doivent nous aider à faire, et ce que l'État doit comprendre, c'est effectivement aller vers l'adaptation. Maintenant, ce que le peut faire, c'est vraiment s'adapter aux impacts. Les impacts sont là. Ils sont là et ils seront là. La chose à faire, c'est que l'État arrive à prendre conscience véritablement de cet aspect des impacts des changements climatiques et qu'il voit dans tous les secteurs socio-économiques, parce que c'est pratiquement tous les secteurs qui sont touchés, de faire un bon diagnostic de ces changements et cela va passer par une analyse climatique, une réactualisation de la caractérisation climatique même de nos zones pour appréhender la part de ces changements et comment ils impactent les différents secteurs, surtout les plus importants, l'agriculture, l'élevage et d'autres secteurs économiques et même la santé. La santé humaine est impactée par ces Donc il va falloir les appréhender, c'est vrai. Nous sommes à notre troisième communication à travers le Conseil national de l'environnement pour un développement durable. effectivement, à ce niveau-là, un travail chaque 3-4 euh, ans est fait pour essayer d'estimer euh, nos problèmes en termes de changement climatique. Maintenant, même en termes euh, de pollution, en termes d'impact, en termes d'adaptation. Ce travail, il est fait au niveau du CNRD, e mais il faut le multiplier et l'élargir au niveau national, bah, partout, et surtout avoir les éléments scientifiques pour comprendre et comment maintenant aller procéder à la résilience des populations qui souffrent des affres des inondations intenses et récurrentes, des affres de sécheresse euh, périodique, des affres de changement du profil des saisons, des démarrages tardifs, euh, des faux départs. Tout ça, il faut qu'ils comprennent et qu'on réadapte tous nos systèmes pour minimiser, parce qu'on ne peut pas totalement éradiquer ces impacts, pour minimiser ces impacts-là et qu'on arrive à asseoir, euh, aller avec au devant, avec notre développement. C'était la Kachalou Gabtia, Lanwan, chef de la division prévision météorologique à la direction nationale de la météorologie. Et voilà, ici s'achève euh, ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.